Euh, notre confrère euh, Elage Dramé du côté de Dakar Arena. donc à la présentation des équipes et nous démarrons avec euh, l'Égypte, la capitaine numéro 33, euh, Atef Agat Amina. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes au nous sommes au Dakar Arena donc pour le quart de finale entre le Sénégal et l'Égypte. Euh, un énième duel entre euh, Lyon et, Pharaon, en tout cas euh, au cours de cette année 2022. Et on espère que le duel sera évidemment encore favorable au Lyon, au Lyon du Sénégal, dont la présentation a démarré. Je serai au commentaire avec Awa Diop, qui bonsoir, là. bonsoir. Bonsoir. Alors, on va suivre ensemble la présentation dans un premier temps avant de revenir un peu sur euh, l'enjeu de ce match. De toute façon, l'enjeu, on le connaît, hein, il faut gagner, simplement. Et on découvre ensemble euh, la team Sénégal avec euh, Dongo Camara qui vient d'arriver, Claudine euh, Mendy. il y a également Britney Kotz. Britney qui n'a pas encore joué, il me semble. Non, effectivement, elle vient de rentrer dans le groupe. Ouais, c'est ça. Ils ont fait un changement, donc Sophie Kébé est sortie et Britney Kotz est rentrée dans le groupe. Voilà, exactement. On a vu Sukhaïna Sanya, Là, c'est Fanta Keita, Justicia, Toubassi, Toubissa plutôt. Euh, il y a également. on applaudit hein. toujours Famassal. Mariam Famassal qui gagne toujours à l'applaudimètre. Hein. Effectivement, hein. ouais. Ah Jaina Bassi. Marifal. Fall, Dapina. Mariamba. Kumba Mariamba est passé. C'est vrai, Mariamba est passé. Le, le voile, hein, c'est vrai. Et Koura. Et Koura. Kamara également. L'équipe euh, entraînée par euh, évidemment Yacine euh, Messac, assisté de Youssef Belk, Alexandre Bailly, Juliette Brick et Mathilde Rock ou Roche, si vous voulez. C'est le staff du Sénégal. À présent, on va procéder à la présentation de l'équipe adverse, évidemment l'Égypte. L'Égypte, euh, la présentation de l'Égypte va démarrer dans, dans, quelques minutes. Donc, euh, et voilà, <laughs> sous, les, sous les huées du public euh, du Dakar Arena, <laughs> la numéro 33, Amina Atef, la gardienne Ali Goma, ensuite numéro 4, Akouche Esham. Numéro 8, Ibrahim euh, Omar. Numéro 10, euh, Ismail Ossam. Numéro 12, autre gardienne, Osman Sayed. Le numéro 14, Salama Atem. Numéro 16, euh, El Sahli Oussama. Numéro 21, Ahmed Khaled. Numéro 22, Gadala Kamel. Numéro 23, Saki Aitam, numéro 25 Talat Seoudi, le numéro 44 Moussa Ahmed, numéro 66 Mahmoud Hani, le numéro 77 Ahmed Sarah Yahya, numéro 90 Nora Ibrahim Ayman, et puis pour terminer, numéro 98 Atia Tala. Sabri. Voilà le rooster de l'équipe d'Égypte entraîné par euh, Abou Eleta, Sayed assisté d'Abdelatef Mohamed, Elmas Mohamed, Abdel Mahmoud et Mohamed euh, Badawi. Un match qui sera arbitré par un duo d'arbitres roumains, Christina, euh, Levin et Simona Stantkou. Voilà donc les, arbitres hein, qu'on découvre à l'écran. Alors, avant les hymnes. On a une minute avant. Non, l'hymne national de l'Égypte, normalement. Normalement, oui. D'abord, ah, la, présentation, des, arbitres et des officiels euh, à la table. Alors, euh, comment vous voyez ce match-là ah, Aujourd'hui, on va assister à un très très beau match euh, de, quart de finale contre l'Égypte. Hein. on connaît bien la rivalité qui existe euh, entre les deux nations. Ouais. la dernière canne de, foot. Hein. les éliminatoires de la Coupe du Effectivement, on est sorti euh, champion d'Afrique, les éliminations, etc. Je pense qu'on va, on va vraiment assister à un très très beau match euh, de handball, d'autant plus que le vainqueur de ce, de ce match est qualifié directement pour le prochain championnat du monde. il y a une deuxième vraiment double enjeu, dans ce match-là. Allez, l'hymne national de l'Égypte. nationale. Merci. Au Jazz 555 Jazz 4 Jazz et tente de gagner des TV, des smartphones et des bons d'achat. Gumco, Defco, Menanek. Orange. Defco ak Orange Money Fibre le 15 novembre bokkal ci tombola bu mag bi Qatar fukki fan tout frais payé de fekkee coupe du monde bi ngir bokko ci yomb na jëfandikool sa deux mille 2000 francs CFA la ci yone xaliss ci bir rew mi wala ci sous région bi Mba sax nga jot ko mu joggé bitim rew ak Ria Western Union Monogram, Tap Tap Send Small World wala Orange Money Europe gën a noppale wor. Orange Monnaie. Voilà. Alors, euh, ah, aujourd'hui, c'est bien. Hein ouais, aujourd'hui. on reprend du présent. On voit vraiment le, patriotisme sénégalais aujourd'hui, on le ressent vraiment et c'est vraiment une bonne chose. C'est vrai, on n'a pas encore les, 15 000 euh, spectateurs du Dakar Arena, certainement euh, si elle se qualifie en finale, ou il faut déjà venir en demi-finale contre. Euh, euh, parce que sinon on, verra. Déjà, chaque chose en son temps, on va déjà voilà, gagner ce match-là et puis on, verra pour la suite. Voilà. Mais en attendant, ce groupe de supporters qui est en train de faire le buzz, ouais, ouais, ils sont terribles. Avec leur leur, là-bas, c'est certainement un moyen d'anticiper sur la Coupe du Monde. Je pense. Mais quand même, là, c'est un look assez particulier. Et ils ont fait le spectacle lors du dernier match. Ils font le, buzz vraiment sur tous les réseaux sociaux euh, en ce moment. Euh, Yon ah. Ouais. <laughs> Allez, en attendant, celle euh, dont on attend qu'elle fasse le buzz, ce sont les Lyonnes du handball ce soir. une demi-finale à aller chercher, mais également une qualification à la Coupe du Monde de handball. Donc voilà tout l'enjeu de ce match entre euh, Sénégalaises et Égyptiennes mais surtout terminer l'année en beauté. On a été sacré en battant l'Égypte. Il mm. faut que euh, là aussi, bah, qu'elle passe à la trappe. On les a battus en finale de la Cannes, on les a éliminés pour la Coupe du Monde, on les a battus euh, en finale du beach soccer. Là aussi, il faut. Ah, on, va, faire, on va faire le travail. Moi, euh, j'y crois dur comme fer hein, de notre équipe. Et on va le faire. On va le faire. On va le faire. Parole de Awa Diop, ancienne internationale qui sera avec nous. Et c'est parti, le coup d'envoi qui est donné. La première possession pour les Égyptiennes. Alors, déjà, il sera important de ne pas se laisser distancer. Hmm. Très bien rentré dans le match. Ça, c'est euh, une nécessité, vraiment. Ouais. Vraiment. Vraiment oublier le, dernier match et... Euh, voilà hein, toute la difficulté de, ce type de compétition. On n'a vraiment pas le temps de se morfondre et de refaire euh, le match. Il faut être en capacité très vite de, switcher, de se concentrer sur euh, le match d'après. C'est important. Allez, premier tir et but. L'ouverture du score par euh, Akouche C'était un assignat. Il y avait euh, dynamité la défense euh, camerounaise lors du dernier match, même si ça n'avait pas suffi. Qui a vraiment, euh, dès qu'elle est rentrée, été décisive sur le rythme de jeu, sur, euh, sur les systèmes à jouer. L'Égypte qui, comme le Sénégal, n'a jamais remporté le titre continental. Effectivement. C'est également sa 11e participation. Ah, déjà un carton jaune pour ATEF Ça va pas être une équipe euh, facile à jouer. Hein. On a très peu de visibilité sur l'Egypte. Très peu rencontré ces dernières années, mais... Euh, ah, il faut croire en ses, qualités. On a une très très bonne équipe, de très très bonnes joueuses, un bon staff technique et on est à la maison. Effectivement, on est à la maison, on a des supporters qui nous soutiennent. On a une équipe d'expérience des compétitions internationales. interception, bien joué, bien défendu par euh, Sanya. Justicia. Avec Fanta Keita. Allez, les filles ont lancer. Il Faut vraiment qu'elle donne le rythme de ce match. C'est à la fois un match euh, euh, important, l'enjeu, mais c'est aussi un match euh, piège. Parce qu'après, si vous passez en demi-finale, il faut essayer de passer en demi-finale sans trop laisser de plumes dans ce match-là. C'est ce qui rend Effectivement. Et, effectivement, va, va falloir vraiment gagner ce match et essayer de ne pas laisser trop d'énergie parce que derrière, si on est qualifié pour les demi-finales, on rencontre une équipe très énergivore et l'Angola ouais. Allez, Dapina, faute. Aïe, passage en force. Elle s'est un peu piégée là par la numéro 1 qui n'a pas bougé. Allez, il faut vraiment qu'on mette du rythme dans ce match, qu'on défende fort, qu'on récupère les ballons et qu'on les monte. On envoie un petit peu nos éliard euh, en contre-attaque. Aïe. Aïe, aïe, deuxième but. J'ai l'impression qu'on n'est pas très bien organisé en, défense. Qui monte, qui descend, qui reste. Allez, allez les gars, allez. Soukaina fait tourner. Il va y aller, Soukaina. Ah, elle allez, perd son duel derrière, allez. Sur ce match-là, vraiment, les, tous les ballons sont importants tous les tirs sont importants. C'est dommage, on ne se récompense pas derrière. Belle action de, de mais on ne se récompense pas derrière. Ouais. Bonne défense, de force. Une fois contre euh, Claudine Mundé contre euh, Ayman. Donc l'Égypte, hein, comme je disais, on a très peu de visibilité sur cette équipe, donc euh, forcément un match piège. Ouais, 3-0, attention. Hein. Pour moi, c'est vraiment l'équipe surprise de cette canne. C'est vrai qu'on euh, sait que chez les garçons, ils dominent. C'est ça. Ils sont très dominants même. Mais chez les filles, euh, on va voir. Elles sont aussi régulières que le Sénégal en Coupe d'Afrique. Mais euh, voilà. Alors, une bah, exclusion. on fait sortir une joueuse. pour vraiment profiter pour recoller tout de suite au score. Pas prendre de but. Ouais, voilà. Impérativement va prendre de but et recoller au score tout de suite pour éviter de traîner justement ses buts tout le long du match. Éviter un scénario qu'on connaît déjà. Ouais. Claudine, Soukaina pour Sanya pour Panta Keita. J'ai l'impression qu'on manque de rythme. L'Égypte, euh, comme le Sénégal, a terminé ah, deuxième de son groupe. Là, sur des matchs à haut niveau, euh, c'est impossible qu'on perde euh, de la balle à, 6,5. Deuxième du groupe B, derrière euh, la RDC. Bien défendu, elle est en face. Là, on ne doit pas prendre de but. On ne doit vraiment pas prendre de but à 4-0. Ça rendrait les choses difficiles parce que c'est très dur de courir après le score. Effectivement, ouais. Bah, on l'a vu au dernier match, c'était vraiment, euh, ça a été vraiment compliqué. Euh, allez, Nolion, allez. elle le joue bien, là, elles font défiler le, temps. Il faut être agressif en défense et la réalité du, sport, euh, des sports collectifs en général en Afrique, c'est il faut être très très fort physiquement, il faut être très dominant, il faut être agressif. Euh, ne pas laisser l'adversaire prendre euh, confiance en, lui. c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, mais avec toute intelligence. pas juste aller défendre pour aller découper une joueuse et, la blesser. Ça, c'est plus pénaliser son équipe qu'autre chose. En prenant des sanctions, mais... Mais euh, l'agressivité, c'est en Afrique, on est un peu obligé, ouais, effectivement. on voit le jeu du Cameroun. Euh, <laughs> ouais. Très, physique. très physique. Allez, là maintenant, il faut essayer de marquer sur cette, euh, cette attaque. Après... Il faut marquer, là on n'a plus de choix, il faut marquer. Six minutes sans marquer, c'est pas possible. Impossible. Et ça, oh là là. Allez, allez les Lyonnes, allez je sens un peu de tension, de nervosité de la part de nos lions là. Peut-être un peu de stress. Ouais. L'enjeu. Ouais, l'enjeu également. Et puis le fait qu'on soit à la maison. Ils veulent peut-être trop bien faire. Allez les lions j'espère que vous qui regardez derrière les écrans, là, vous encouragez aussi. <laughs> On a besoin de toutes les ondes positives. Bien, allez, il faut rester ensemble, il faut défendre forte ensemble. Il ne faut pas se laisser transpercer comme ça. tourne bien chez les Égyptiennes. Ah, les ah, quatrième but. allez, allez, Justicia, allez. Euh, on a besoin de tout le monde là. On a besoin des joueuses, des gardiennes, de tout le monde. Allez, là bas. Ah, oh non Allez, Gina. Oh non Je les sens super pressées là, les filles. Oh. C'est pas dans leurs habitudes. on est à 8 minutes et elles n'ont pas encore marqué. C'est vraiment pas dans leurs habitudes. Faut qu'elles s'encouragent, faut que Qu'elles se parlent. Hein? qui est rentré. Qu'elles oublient euh, l'enjeu. Voilà, qu'elles oublient qu'elles soient dans leur bulle et qu'elles euh, s'encouragent, qu'elles soient ensemble. Allez, ça tourne à terre. Ah. Ayman, euh, faute Claudine Mendy. Voilà, l'Égypte qui joue vraiment très simplement. Euh. Bien défendu ça. Allez en face. Très très bien. allez, allez, allez. C'est important. Il faut mettre le doute dans la tête des, des Égyptiennes. Pour le moment, c'est vrai qu'elles ne sont pas du tout inquiétées. Elles pensent un peu ce qu'elles veulent. Allez, on la monte. Il y en a qui va céder sa place. À Mina Amina Mina Allez, Amine a un autre style de jeu. Essaye de tout en percussion. aïe aïe, Aïe Ouais, marché. Oh Ce serait peut-être bien que l'entraîneur prenne un temps mort. Je pense que là, il va pas tarder à prendre un temps mort. Ouais. ça. Je pense que. Ouais. Parce que là, les filles, je sais pas, elles jouent vraiment avec euh, le frein à main. Je sais pas ce qui se passe. Allez, pour moi, franchement, la clé, c'est la défense. Il Faut vraiment défendre fort et derrière, essayer de monter les ballons euh, tout ensemble. Il faut vraiment défendre fort quoi, et ensemble parce que là, je les sens toutes un peu isolées. C'est un peu. Euh, si on continue comme ça, ça va être. Euh, le match va être très long et très compliqué. Ouais. Allez, ça tourne. Côté des déficients. Allez, allez, allez, allez, allez. Allez. La contre-attaque. Pareil, Dianaba, et voilà. C'est ça, allez. Voilà, le premier but des Lyons marqué par Dianabassi. J'espère qu'elle va donner le, le go. Allez. Allez, là, on a besoin du public de la Voix. On récupérer le ballon. Ouais. Aïe, on est trop désorganisé. ah. Heureusement qu'elle ne le met pas. Le siffler avant. effectivement, il y a une faute et derrière, il me semble qu'elle fait un petit marché. où l'arbitre revient à la faute. Ouais. Toujours 4 euh, buts à 1 en faveur de l'Égypte. à 12 minutes. Pas beaucoup de buts. Et à euh, du Sénégal, vraiment commence à marquer des buts là. C'est voilà, bien. Bien, Raissa, bien récupéré. Bien suivi. Allez, on se réorganise. voilà. Ah, super. Toute la puissance d'Amina. Super, Amina, super. Voilà, super action. Allez, petit à petit, on va revenir au score le plus rapidement possible. Merci On repart du côté des Pharaons. Je l'ai dit. Noah Ibrahim. Je l'ai dit encore. Tanak, Ibrahima. Ibrahim. très très bonne défense collective. Parti en l'air, euh, Daiman Noah. Allez, encore but là. Très très bien, super passe. Et voilà Très très bien tiré de Awan Très beau but qui attend vraiment que la gardienne lui donne la solution et elle lui glisse un ballon entre les jambes. Ce but a le mérite de soulever le stade, le stadium le Dakar Arena. <laughs> On n'est pas au foot. <laughs> ouais, bon, mais ça reste un stadium quand même. Là, il faut vraiment qu'on récupère le ballon et qu'on recolle le score et puis c'est parti. On déroule derrière. Ouais autre qui te laisse un peu emporter par euh, Et voilà, la faute offensive. Allez les filles. Ouais, c'est normal. ça. Sans dribble, passe, passe, passe, passe, sans dribble. Très bien joué. Là, on calme le jeu, on n'a plus de solution, on est désorganisé. On reprend le Ouais, Allez, une attaque pour égaliser. La touche ouais. Euh, en faveur des Lyon, du Sénégal. Marifal. Qui est sur le parking. Euh, Doudou et Koura qui sont également à l'échauffement, certainement qui vont faire leur entrée. Claudine. Eh, yes le bras gauche magique de Qui permet au Sénégal d'égaliser face à l'Égypte. machine, on a, on a soulevé le public là. Bonne défense. Ah, il y a de l'ambiance. Il Il faut venir, euh, il faut venir au stade, il faut venir au Dakar Arena. Aujourd'hui, il y a une ambiance de feu, sans doute parce qu'on joue également contre l'Égypte. Ça a réveillé les Sénégalais. Donc, bah, si c'est. Ah non Transversale. Dommage. Allez, la bonne récupération pour les ah, elle, était, dehors. elle était dehors. Pour assurer les, contre-attaques. Il faut ah, marquer. il faut marquer. Vraiment là, tous les ballons Val de l'or. Il faut vraiment s'appliquer. regardez ces supporters. Ah, ils sont incroyables. Ils ont le feu dans les jambes là. L'arena est vraiment en feu. Ah, ah elle est en zone. elle est en zone, ouais. il faut vraiment que les deux numéros 3 s'organisent. On a des pivots qui traînent derrière la défense. Super. Allez, allez, allez, allez. Ah, ah, allez, allez. Allez, les hélières, là, allez. Ça, c'est des ballons très importants, ça. Ouais. Allez, on reste dans le match. On repart côté des Égyptiennes avec euh, Sabri. Ayman. Talat. Il a défendu. Ayman. Talat encore. Avec Ayman. qui va passer. C'est au-dessus. Donc on ne pas, peut pas à chaque fois se laisser transpercer entre le numéro 2 et le numéro 3. C'est impossible. Si les Égyptiennes doivent gagner le décalage, c'est aux ailes. Quoi. Allez, le premier temps mort demandé par le banc du Sénégal entraîneur, ça va être l'occasion de, voilà, de rectifier quelques euh, petites erreurs. En tout cas, c'est pas un match gagné d'avance, ça c'est clair. C'est sûr, on savait hein, que ça allait être un match difficile. Euh, L'Égypte, on les a très peu joués. Du coup, euh, je ne sais pas s'ils ont pu avoir pas mal, enfin des images à exploiter, mis à part les, matchs de la Cannes. Et c'est une équipe, une jeune jeune équipe, très dynamique et, euh, pleine de talent. C'est ça, c'est un pays qui euh, voilà, a une belle tradition, une longue tradition de handball. Mm. Même si euh, chez les filles, en général, un peu, en, Égypte, les filles sont un peu à la traîne par rapport aux garçons. C'est le cas quasiment dans tous les sports co. Et en handball, quand même, euh, quand on dit 11e participation, c'est comme le Sénégal. C'est ça. Euh, donc ça veut dire que voilà, euh, elles, sont là. Et, elles sont régulièrement là. Elles sont régulièrement là au fil des années. Elles essaient de, se montrer plus ambitieuses. Et tout Kamara est sur le parquet avec Mariamba. Mariamba qui a remplacé Jaina, Si. De l'autre côté également. Effectivement, Raïssa qui est sortie. Il y a Calme Kanté qui est rentré. jean Sankaré. Avec Mariam. Sankaré. Pour Dogo. Pour Bassissé. Ah, c'était pour Marifal. Je pense qu'on a une photo offensive là de, Marie. Non, j'avais l'impression qu'on lui tenait le maillot. Ouais, mais elle, se sert de son bras droit pour faire le bloc en fait. C'est euh, faute offensive. Mauvais bloc c'est pas grave, allez. Ouais. 18 minutes de marché, là, Madame l'arbitre, non <laughs> Allez, allez, on défend encore, encore, encore, encore. Le bras levé, il y a quatre passes. Oh, allez les filles, on va jusqu'au jeu passif, mais on n'arrive pas à se récompenser. Attaque rapide, très rapide, Doumou, faute. Ah, c'est dommage, là, on les envoie. Euh, les envoie au jeu passif on n'arrive pas à se récompenser derrière en récupérant le ballon. Dommage. Combat. Dongo. Combat. Allez, allez, qui allez. L'égalisation. Bien câlin. Après, il faut arriver à se, à se rendre le match facile. Voilà, récupération. récupération. Allez, on a trois devant contre une. Faut le mettre. yes Et le Sénégal qui passe devant pour la première fois dans ce match. 6 buts à 5 en faveur des Lyon. Marifal tout en finesse. Elle attend vraiment que la gardienne euh, saute pour pouvoir lui glisser un ballon en chavala. Au-dessus de la tête. Allez, on lance le match là. Le match est lancé. Super défense, inversé. Allez, les Égyptiennes qui repartent à l'attaque. Ah, faut monter là. Il nous en fallait un arrêt là comme ça. Allez, Justicia. C'est bon pour la, c'est bon pour la confiance. Zaki. Salate. Sorti. Ouais, sortie. Là, on touche. Allez, remarquez encore. On attire les poteaux aujourd'hui. Ouais. le deuxième poteau qu'elle nous sort, dommage. Comment demandé par le banc égyptien. Le deuxième. Ouais, déjà. Déjà. Non, le premier enfin pour l'Égypte. Le premier, pardon, oui, oui, pardon. Le premier temps mort, c'était. C'était Sénégal, En tout cas, pour l'instant, elles ont fait l'essentiel, c'est-à-dire euh, revenir dans un premier temps et essayer de passer devant. Maintenant, après, il faut, il faut continuer à gérer parce qu'on a eu beaucoup de difficultés lors du match contre le Cameroun à gérer justement les égalités parce qu'à plusieurs reprises, les Lions sont revenus mais n'ont pas su gérer la transition entre égaliser et passer devant. Et passer devant. Bon, là, le point positif, on est passé devant. Maintenant, il faut euh, bien défendre et essayer de creuser un petit écart et gérer tout le match. Vraiment qu'on continue à faire la course en tête, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Faire la course en tête et puis essayer de distancer l'adversaire. Ouais, le plus possible. Parce qu'on le rappelle, derrière en cas de qualification, c'est l'Angola. Effectivement, ouais. Effectivement, a priori, ça, devrait être l'Angola qu'on rencontrerait en demi-finale. Après, peu importe l'adversaire, hein, pour gagner euh, un championnat d'Afrique, ah, il faut, battre toutes les, équipes. Il ne faut pas battre les meilleurs, il faut battre toutes les équipes, c'est-à-dire peu importe l'équipe sur laquelle euh, on tombe, il faut la battre Il pour arriver au bout. Donc, euh, De toute façon, arriver à ce stade de la compétition, on perd, on sort, on gagne, on avance. C'est ça, exactement. On arrive vraiment sur des matchs décisifs, des matchs plus près où là, c'est soit on gagne, soit on gagne. Hein. Il n'y a pas de ouais. diverser. <laughs> Il n'y a pas autre chose à, envisager. Allez, bonne défense. Allez. Bras levé, 4 passes. Ah, Elles ont plus que 2 passes. Donc le bras levé, un jeu passif quand l'arbitre euh, lève la main, il y a 4 passes derrière. La dernière fois j'avais dit 6, mais c'est passé à 4. Rectification. Il me semble qu'elles ont plus qu'une passe. Une passe, ouais. Elles se sont passées le mot. Ouais essayer de tirer. Là, normalement, il n'y a plus de passe. Ah. On va voir comment ils vont gérer ça. Tire quand même et ça ah. passe à côté. Ah, elle se récompense bien. Elle les envoie au jeu passif elle récupère le ballon. Et il faut marquer là. Marquer euh, pour, avoir un petit break. petit break, voilà. Le début, l'écart. Jaina Bassi est revenue qui n'a pas encore euh, tiré. Mais c'est vrai qu'elle, euh, en général, elle marqua des moments extrêmement importants du match. C'est elle qui a permis au Sénégal d'égaliser, par exemple. Spécial. Dongo, là voilà, Soubassissé, décale pour son carré, euh, Soukaina Sanya. Bassi, Soukaina, c'est contré. C'est contré par l'adversaire. passe. Ah. ah. il a trop de temps à attaquer. Ouais. Il en concentré. Je vais passer. Ouais. Quand l'arbitre lève le bras, il faut vraiment montrer à l'arbitre qu'on attaque, qu'on va vers le but. Là, Et l'entrée en jeu Ismaël Ossam du côté de l'Egypte. Voilà, ça Très très petit score. Après 24 minutes de jeu. Défense agressive sur Akouche euh, et euh, Il reste 6 minutes avant la fin de cette euh, première période. Smile. récupération. Très belle passe. Et Là, on reprend. derrière, on n'a pas suivi, c'est dommage. On reprend et l'entraîneur qui fait trois changements. Il y a eu beaucoup de changements. Hein, ouais, ouais c'est vrai. Sanya. à chaque fois, ça a été des bons, des bons coachings. Hein. Ouais. Youssef euh, connaît très bien son équipe. Ouais, ouais. Manta qui va dribbler. y aller. Ah, coaching gagnant, hein, ouais, absolument. Et voilà, le Sénégal qui maintenant fait le break. Là, on oblige, euh, elles obligent les Égyptiennes à devoir courir après le score. Et on sait qu'en général, c'est très difficile. C'est très épuisant de courir après le score. Et ça, c'est dans toutes les disciplines collectives. Là, on est un peu plus organisé en défense, on récupère un peu plus de ballons, on les pousse à la faute. Et, la Et derrière. On... Yeah Pareil, hein, on récupère des ballons et on arrive à faire des, montées de balles, des contre-attaques. tout à l'heure, hein, la clé, ça va vraiment être la défense et euh, derrière, on va pouvoir euh, exploiter ça. Ouais. Et on a le public là qui est en feu. Ah oui. On est. Euh, le Dakar Arena doit être le palais imprenable du sport sénégalais, que ce soit le basket, que ce soit le handball, le volleyball, tout comme le stade Abdoulaye Wade doit être. Voilà ça fait plaisir, hein, on voit d'autres athlètes, d'autres disciplines venir encourager les Lyonnes. Absolument. On a, vu, euh, on a vu le basket, on a vu le football, Djaman qui est là. On avait vu euh, les joueurs. Euh, Raoul Mendy. Les, champions, attention, exclusion. exclusion parce que la gardienne prend le ballon en pleine figure. Et donc, Atef Amina va devoir être exclue deux arbitres qui, qui discutent. Non, non, c'est... Non, c'est Diana Bassi qui va... Non, elle ne fait pas exprès hein, de lui mettre euh, dans la tête. Non, non, c'est Diana qui l'a touché, en fait. Euh, ouais, ouais, ouais. Alors, on n'a pas le ralenti. Voir, euh... C'est un penalty salle face à Osam Ismail. c'est marqué. Sarah Yaria transformer ce penalty. Bon là, on va être euh, à une de moins. Si on marque, c'est très bien, mais il faut essayer d'encaisser le moins plus possible. fait sortir la gardienne et on joue à égalité numérique. On va très certainement, faire euh, commencer euh, la, combinaison à l'opposé du banc, comme d'hab, espagnol. Hop, faire sortir les lières. Aïe, Vraiment qu'on aille au bout de nos actions à infériorité numérique, essayer de perdre le maximum de,

Ça, c'est des arrêts qui font du bien, ça, quand on est euh, à infériorité numérique. Ouais. C'est vraiment des arrêts qui font du bien. Attention. Et eh, ça passe au-dessus. Voilà, c'est vraiment très très bien. Euh, c'est ça qui prend vraiment l'ascendant psychologique sur, euh, sur les liens. Ouais. Allez, 1 minute 30 secondes à jouer. Il faut essayer de, marquer encore un but avant d'aller, avant de retourner au vestiaire. déjà bras levé, c'est un peu rapide là. Fanta Keita lucarne, Fanta Keita Keita, quand elle se lance comme ça, elle est inarrêtable. Ouais. Inarrêtable. Ah ça C'est vraiment dans le registre, dans ce registre de jeu qu'elle est vraiment le plus forte. La plus forte, pardon. c'est un but qui fait du bien là. Ouais. Allez, là, c'est important de ne pas prendre but sur cette attaque. Super, très très bien défendu. Il reste 30 euh, secondes. La égalité numérique, faut vraiment pas prendre de but. Ah, les ah, filles, eh allez ah. eh. oh, oh euh, Les pénalty. filles étaient en zone. Ouais. Ah là, défense en zone, rappelons qu'on les défenseurs, on n'a pas le droit de défendre en zone. Hein. Eh, pourtant sur le ralenti, on voit que c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas sur le ralenti. Je sais pas si euh, Michel Diata. Peut-être pas hein. si évident que ça, mais il me semble qu'elle a un pied en zone quand même. Ah, c'est pas évident. Allez. Yahya, ah, Très bien. joué. Très bien, euh, très bien tiré. Allez, rapidement, la remise en jeu, il faut attaquer. Allez, on tire, on le tire. Chrono. Ah, ah, dommage. Dommage, dommage. Arrêt du de Keina. Ah, en tout cas, c'est un match extrêmement très tactique. En tout cas, c'est un match très tactique entre Sénégalaises et Égyptiennes. Le score est étriqué, étriqué 9 à 7. Ah ouais, c'est un très très petit score. Il y a du niveau. Il y a du, il y a du niveau. mais euh, c'est un très très petit score. Mais bon, on arrive à être euh, en tête à la mi-temps, c'est très bien. Après avoir été mené 4-0 pendant plus de 6 minutes. à 12 minutes, on était toujours à 4-0. Donc là. Euh, profiter de la mi-temps pour euh, se remettre les idées en place et revenir très très fort en seconde mi-temps. Ouais, c'est important. En tout cas, pour l'instant, on s'attendait à ce que ce soit un match euh, difficile. C'est le cas entre euh, Sénégalais et, Sénégalaises et Égyptiennes. Maintenant, il va y avoir, on aura 15 minutes de repos, justement, le temps pour l'entraîneur de corriger ce qu'il a, à corriger. corrigé. Et surtout pour les filles de se reposer. Hein, ouais, c'est important important, et de se remettre euh, les idées en place pour euh, commencer très très fort, donner le rythme d'entrée. Allez, on se retrouve dans une dizaine de minutes. En attendant, on rend l'antenne à Aïssatou François Sec et son consultant. Voilà, merci la Dramé et merci à Awa également du côté de Dakar euh, Arena. Alors, retour sur ce plateau avec Pape Ibn coach euh, le Sénégal, donc qui mène à la mi-temps par 9 buts à 7. Mais cette équipe du Sénégal nous a laissé quand même des sueurs froides pendant 10 minutes. Mmh, effectivement, François, le début du match a été très difficile pour l'équipe du Sénégal. Ouais. Si on regarde euh, le chrono, le premier but sénégalais a été marqué à la dixième minute. Donc euh, dans ce type de compétition, là rester des temps, des temps très longs, ne pas marquer de but, ce n'est pas, pas sûr en quelque sorte. Donc heureusement que l'équipe égyptienne n'était pas bien en place depuis la dixième minute. On en a profité pour recoller le score et puis passer devant. Donc la seule euh, bonne note de, de notre équipe, c'est pour l'instant, c'est la défense où on a encaissé que 7 buts par rapport au dernier match euh, face au Cameroun. Donc euh, je pense que, comme je l'ai dit, euh, l'aspect psychologique est important en, cette partie de compétition. C'est vrai qu'il y a l'enjeu, le, mondial, qui, est en ligne de mire aussi. le fait que, nous sommes le pays, organisateur, ça, peut peser sur, les filles là. Voilà, alors on va faire un clin d'œil à nos partenaires et puis nous revenons juste derrière pour pour décrypter cette première période du match Égypte-Sénégal. Gamco, Defco ak Orange Money Fi ba le 15 novembre bokkal ci tombola bu mag bi lay Qatar fukki fan tout frais payé nga fekkee coupe du monde bi ngir bokk ci yomb na jëfandikool sa calpé donté 2000 francs CFA la ci yone xaliss ci bir réew mi wala ci sous région bi mbaa sax nga jot ko mu ak Ria Western Union MoneyGram Tap Send Small World wala Orange Money Europe gën a noppale gën Orange Money Voilà, merci euh, à nos partenaires. Alors, Égypte, Sénégal, 9 buts à 7. Euh, Pape Ibnou, à votre, à votre avis, euh, qu'est-ce qui n'a pas trop marché dans ce set du Sénégal bah, en fait, c'est l'entame du match. Hein. Ah face au Cameroun, on a débuté difficilement le match. Déjà, le premier but marqué à la dixième minute, c'est en quart de finale de Coupe d'Afrique, c'est pas normal. Face à l'Égypte Surtout face à une équipe ah comme l'Égypte, qui est l'invité surprise des quarts de finale. Mais les fins connaisseurs du handball savaient que cette équipe, euh, c'est une équipe joueuse, une équipe jeune, qui, qui a montré ses, valeurs durant les phases de poule parce que bousculait le Congo, l'Égypte et, la Guinée, qui a battu aussi la Guinée. Donc c'est une équipe euh, à laquelle les gens s'attendaient finalement en phase de poule. Alors, elle a craqué en fin de première période Effectivement, parce que je, je, je, mets ça dans le compte de le, manque d'expérience par rapport à ce type de compétition. L'Égypte en fille euh, jouait beaucoup plus avec les catégories jeunes. Donc, euh, si vous voyez cette équipe égyptienne, l'Ossature, euh, c'est l'équipe championne d'Afrique en 2019. Donc, euh, ça, c'est un travail de, à long terme qu'ils sont en train de faire. Peut-être qu'ils veulent dominer l'handball africain, mais actuellement, ils sont en apprentissage. Et l'équipe du Sénégal aussi est en difficulté par, par, rapport à cette équipe égyptienne, surtout en attaque. Surtout en attaque. Alors, on va parler de ce, de ce set sénégalais qui a quand même un peu changé que face euh, à l'équipe du Cameroun. Là, là on a vu, il y, a, un changement majeur, c'est-à-dire le euh, Soukaina Sanya qui vient comme meneur de jeu. Donc d'habitude, elle faisait le second rôle par, rapport à Amina, Sangare. Maintenant, dès l'entente du match, on a Soukaina, ça n'a pas marché. Le coach a amené Amina, ça a un peu marché. Il y a Claudine Mendy qui a disparu. Euh, depuis sa sortie en premier mi-temps, on ne l'a plus revu. Donc il y a Dungu qui est là de même que Fanta Keita. Après, le changement il est revenu en pleine forme. Il nous a mis deux, buts très importants qui nous permettent d'être devant face à l'Égypte. Et il y a aussi qui a ouvert le compteur but du Sénégal. Oui, effectivement, mais Djenaba, euh, peut-être elle a un peu hésité, surtout certaines balles euh, où elle était en bonne position pour aller tirer et faisait revenir le ballon. Peut-être le choix du coach par rapport à ses rotations, il maîtrise mieux son groupe, mais je sais que cette équipe du Sénégal doit avoir un ascendant psychologique et surtout dès l'entame de la deuxième mi-temps, et mettre le paquet pour, euh, pour, euh, pour, pouvoir se qualifier en quelque sorte. Sinon, sinon, laisser toujours euh, ce mano-mano avec cette équipe IGBCN-là, on risque d'avoir des surprises. Ah oui, pas, ce n'est pas sûr. Alors, vous, vous, pensez ou pas que l'enjeu du match va tuer le match bah, En fait, l'enjeu, c'est vrai que c'est une, place, place. au mondial. C'est vrai, pour gagner la Cannes, il faut déjà aller au mondial. Donc, c'est l'objectif qui a été assigné au coach, déjà quand il prenait l'équipe. En euh, l'entame de la compétition, on l'a plusieurs fois entendu dire que la Fédé lui a, signé comme objectif déjà de se qualifier au mondial. Et une fois euh, qualifié au mondial, tout est possible. Hein. Alors, euh, aujourd'hui, comment justement, vous, vous êtes coach, comment le Sénégal doit jouer face à cette équipe égyptienne pour remporter la partie vous voyez bien, si vous regardez le Sénégal jouer contre le Cameroun, parce qu'on avait des difficultés au plan physique. Maintenant, face à cette équipe égyptienne, l'équipe du Sénégal est, le plan physique est mieux, outillé. Donc, avec des engagements très rapides et des montées de balles, on peut s'en sortir facilement pour prendre large. Donc, si on place nos attaques, souvent les Égyptiens nous mettent en mal. Mais euh, sur des situations de transition, c'est-à-dire de contre-attaque ou de montée de balles, on voit que l'équipe du Sénégal est à l'aise. Donc, le plus important, surtout, c'est le dernier geste. Euh, on a eu au moins euh, quatre ballons ratés face à la gardienne sur des duels. Donc, ça, ça ne se pardonne pas à cette étape de la compétition. Allez, on va parler de nos adversaires du jour, l'équipe euh, d'Égypte. L'équipe égyptienne, ben, je, me, dis que c'est une, une euh, équipe euh, que les gens n'attendaient pas à ce niveau de compétition. L'invité surprise. L'invité surprise, pas, tellement, parce mm. que les connaisseurs du handball savent que c'est une équipe à devenir et qui peut créer la surprise. Déjà, mm. on ne l'attendait pas devant la Tunisie comme deuxième dans ce poule-là, mm-hmm. la Tunisie qui s'est qualifiée comme meilleure troisième. Euh, de même que, qui a fait un match très correct face, au Congo, qui a mhm. perdu avec un but d'écart. Donc c'est une équipe qui, montre beaucoup de bonnes choses dans, cette compétition voilà alors nous euh, wax rek euh, Pape Sénégal Égypte la première période justement 30 premières minutes yi nga Sénégal waaw niñ ko niñ doon ragal moo amaat mooy match bi ñu ngi koy yéex a tàmbali te ci compétition bi ñu nekk nii ci fi ñu toll nii ci Coupe d'Afrique bi match yi da nga ciy teel a dugg équipe Sénégal euh, bi passé contre Cameroun ci problème boobu la ñu amoon taxawaay boobu problème taxawaay boobu remarqué woon nañu matuloon bi yoon nag xanaa benn benn benn yaakaar la ñu am suñu défense bi téye nañ égyptienne continuer leen ba ba set bi lañ ci encaissé waaye nag suñu attaque bi moo bari ay déchets par rapport ak yenn bali ñuy ñàkk ak yenn bali ñuy raté ci kanamu góol bi loolu ci ci fi ñu toll nii ci compétition bi loolu kenn du ko baale. waaw mais nag euh, équipe bu Sénégal xaw nañu tiital tuuti tamit ci début match bi ndaxte toog nañu fukki simili yoo xam ne dugaluñu benn bal. mooy mooy ni ma ko waxee rek sànq ci bi ñuy tàmbali émission bi nee na la euh, dëgër laay dañ ko soxla ci dal <coughs> compétition bi ku la gën a dal ci fi ñu nekk nii moo la ëpp chance euh, génn ci.

la coupe du monde bi fële ca Qatar mu mhm. nek ci 14h45 manam euh, ñetti waxtu euh, bu déssé euh, fukki minute ak juróom di ngeen mëna am li nga xamné moy cérémonie d'ouverture bi ngeen am ko en direct et en exclusivité sur suñu chaîne RTS suñu chaîne RTS 1 RTS 2 ak yenen RTS Matam Ziguinchor ak Tambakunda, merci donc euh, cérémonie d'ouverture ce sera le dimanche 20 novembre à partir de 14h45 une cérémonie officielle que vous pourrez suivre en direct et en exclusivité euh, nous n'en sommes pas encore là nous sommes justement au niveau du handball de Dakar Arena avec euh, ce match Égypte-Sénégal un match très important coach Pape Ibn Sarr Euh, naka la Sénégal waree dugg ci deuxième mi wu match bi pour mun ko gagner ndaxte enjeu bi nañ ko wax mooy ñu am benn place ci coupe du monde handball bi. Euh, mooy ni ñu ci mën a duggee mooy erreur yi ñu def ci premier mi bi ba ñuy tàmbali yooyu ñu bañ ko defati surtout ci phase attaque yoo xam ne dañuy yàkkamti wala ñu am jàkkaarloo gardien duñ ko dugal loolu da ci am solo tamit équipe Égypte bi euh, du doo leen may confiance. mooy ci gardien bi ak joueurs yi en nañu te am nañ ndëgërlaay boo xam ne ci défense surtout nu ñu mujjee défendre Égypte dafa amoon problème pour dugal da doon utiliser jose bi nekk ci biir euh, pivot bi pour man passe pour dugal parce que lu ñuy def action yi ñu def yëpp ci euh, ci ginnaaw défense bi duñ mën a dugal donc loolu la ñu war a maintenir naat te suñu attaqué na attaque bi gaaw def ko ñu bal bi mu gaaw balaa égyptienne di taxaw parce que suñ ko xoolee ci ci ndëgërlaay xale yi Sénégal lu ñuy daw joueurs Égypte duñ ko daw donc loolu moom atula dañ ci war a profité dugal bal yi mu gaaw et puis nag suñ demee bay jiitu nag comme jiitu lu xaw a bari ñu xaw ñu commencé changer jeu bi parce que coach bi xam naa loolu war na ci taxaw parce que suñu xamee gis nañ premier mi-temps bi changé na joueurs yu bari donc euh, ñoom sur le plan physique taxaw am nañ taxawaay te war nañ mën a génn ci match bi. voilà war nañu mën a génn ci match bi waaye mu mel ni tamit équipe bu Sénégal bi joué ak Égypte tey xaw na am tuuti. Euh, différence ak équipe bi joué woon contre Cameroun ndaxte am na joueuse bu dugg tey. maa tey euh, d'habitude euh, Amina Sangaré moo doon tàmbali match bi mais bi yoon dañoo indi Soukayna Sagna koo xam ne ñëpp ko doon réclamé technicien handball yëpp dañ ne Soukayna équipe Sénégal nu mu taxaw yi ni moo war a tàmbali match yi waaye malheureusement nu mu tàmbalee xawoon na jaaxal coach moo tax mu génnewaat ko. mais bu mu ñëwaatee gis nañu jeu bi tamit continuer di gën a baax pour Sénégal. waaw ñu am tamit ki nga xam ne mooy Dieynaba Sy moom moo ubbi moo njëkk a dugal euh, tey waaye bi mu dugalee tamit fee boobu fukki simili yi moom passé na. loolu loolu laa wax rek mooy yéex a yéex a dugg ci match bi buñ ko defati deuxième mi-temps parce que loolu ci euh, fi ñu toll nii ci compétition équipe bu bëgg a sori waroo toog euh, ñaari minutes sax ñaari simili du dugal bay toog fukki simili dugaloo loolu moom soo ko defee yéen équipe yu mag yi kooku dafay ragal match bi doo ko mën a gagné. waaw tey ñu gis ne ci journée tey bi ñu joué ñeenti match ñu gis ne Angola Cameroun ak euh, Congo ñu ñu daal di qualifié pour dem demi-finale yow naka nga jàngatee loolu. est-ce que ñooñu lañ doon xaar wala dafa am kuñ doon xaar te yegg siwul nu mun naa la confirmer ñooñu ñetti ñooñu ñu ngi leen doon xaar ñu ngi leen doon xaar. Ah. Euh, ndax seen jaar-jaar sax déjà mm-hmm. ñoom ñett bi ñoom ñett ñëpp demoon nañ mondial bi passé donc euh, ñu ngi doon xaar ñu demaat mondial ak seen équipe bi nu mu nu mu bindoo ñetti équipe yooyu ay prétendant ci pour titre bi la di ñaan aussi itam Sénégal doon prétendante aussi pour le titre. waaw ñu ñu ñu fàttali ne Sénégal ak Égypte ñooy joué ndaxte euh, Angola mooy euh, équipe bi njëkk qualifié après mu teg ci Congo Brazzaville après Cameroun parce que Cameroun moo doo RD Congo 23 euh, ci 22 fi mu nekk nii ñu ngi xaarandi ñaareelu mi bi xam naa ne léegi mu door. Euh, Pape Ibnou Sarr ñuy ñaan rek euh, Sénégal mun a gagné ndaxte bu gañee match bi c'est vrai que dina jouer demi final waaye it dina qualifié ci li nga xam ne mooy coupe du monde euh, ci handball féminin ñaari équipe yaa ngi dugg ci terrain bi Pape Ibnou Sarr lan nga war a yokk. ma fan li ma li ma wax rek mooy nañ gën a am dëgër laay mm. surtout ci attaque bi parce que défense bi ñu ngi koy continuer mais attaque bi gën a am dëgër laay mooy ñu am gën am rigueur ci li ñu def bal bu ñu xam nañ ne bal bu am na la surtout tamit ñuy gaaw yóbbu bal bi parce que égyptiens yi dañu xaw a diis ñi dañ leen war a mën a euh, bett pour mën dugal ballon yi mu gën a gaaw. li wax phase de transition. montée de balle wala contre attaque. pénétration dugal bal. waaw kay kon nag euh, consigne yi mu ngi noonu mooy consigne coach yi te xam naa ne coach bi loolu lay wax. Mhm. alors euh, nous faisons un petit coucou donc à tous ceux qui nous suivent hein, d'ici et de la diaspora particulièrement le maire Daoud Ndiaye qui nous suit depuis Yumble. Alors, euh, merci à tous ces Sénégalais. Croisons les doigts pour l'équipe du Sénégal qui rencontre l'Égypte. Alors, l'enjeu, c'est une place à la Coupe du Monde de la discipline. Elage Tchernodramé, c'est à vous. Merci, merci à Isatou euh, François Sec. Euh, le match qui vient de démarrer, la deuxième période entre Lyon du handball égyptienne, euh, évidemment. Euh, pour l'instant, le Sénégal est devant. Deux buts d'écart, 9 à 7. On va voir un peu, l'entame va être extrêmement importante dans ce, cette deuxième mi-temps. Effectivement, l'entame de jeu va être extrêmement importante. Il va vraiment falloir donner le rythme, donner le ton et essayer de distancer euh, l'Égypte d'un peu plus de buts. Ouais. On voit les euh, Égyptiennes essaient de mettre euh, de l'intensité et elles nous aussi tout de suite. Bras levé, une passe. Deux. Oh Quel but Magnifique Fanta Keita. Ça, c'est bien. C'est Très très beau tir de, de Fanta. Il devrait un peu plus tirer de loin, vous amener vraiment de la dangerosité de loin c'est vrai que quand on essaye toujours de se rapprocher de la zone, mais euh, Allez, il faut bien défendre. Ensemble surtout. On va donner de solution à l'adversaire. Super. très très belle bouffée, merci de Super. Et on récupère le ballon en prime. Là, on les a vraiment poussés à, à mettre le ballon en touche. Ouais ça. Et là, on a encore une occasion de, marquer, de creuser davantage l'écart. Ça, c'est des ballons qui sont extrêmement importants. Il faut. L'idéal serait de, les pousser à 5 buts d'écart au moins, d'avoir une avance confortable et ensuite euh, jouer sur le temps. si on peut euh, plus, le maximum sera très bien. <laughs> Évidemment l'idée c'est vraiment d'être devant, de faire la course en tête et euh, de ne pas les laisser passer devant ou leur laisser l'occasion d'égaliser et de les relancer dans ce match. Marché. je pense que les arbitres sont pas très très sensibles au... Sabri à l'errance de Soukain Assagna. Ayman. Une solution, une, une, trois passes. Aïe. La bonne défense. Très bien, super. Très bonne défense. Alors attention. Très bonne défense. qui est resté au sol. on voit, je pense qu'elle est là, oui. Oh, elle s'est prise en euh, coup de coude. Ouais. est à voir, c'est une lionne. Ah, elle saigne, elle saigne, elle saigne de la bouche. mais c'est pas, pas très grave. Je pense qu'elle s'est mordue la langue euh, en... sur le contact. Ouais, sur le contact, euh, sur le coup coude. Là, on revoit, justement. Ouais. C'est de Claudine. qui n'arrive pas à régler la mire ce soir. Dommage. Je pense qu'on a encore un. Eh, encore un mauvais bloc de Il Faut opérativement qu'elle règle ça, ça fait le deuxième. Deuxième photo offensive de marie qui reviennent à deux buts d'écart. Wow. Claudine Mendy. Joué Taketa, elle aime bien cet intervalle 1-2 quand elle y va à fond. Euh... très bien exploité le décalage. Michel Diata, va falloir euh, mettre une caméra sur les, ces jeunes, ce groupe de supporters en Galarba parce qu'ils font le show hein, en tribune. vraiment, vraiment le show. Ouais. Allez. Ils font la concurrence là au deuxième Gainer. Ah ouais, clairement. Mais c'est quand même le deuxième Gainer qui donne le rythme. Oui, oui, quand même la faute. Deuxième un policier qui n'a jamais failli à sa, mission. <laughs> Interception. Ah, dommage. Il est sur la ligne, il me semble. Sabri. Omar Ibrahim def faute euh, le tir entrée, touche. il me semble qu'il reste qu'un seul qu'une euh, seule passe Ah, qui rend la balle. L'arbitre qui rend la balle. 11 à 8. C'est le score entre Sénégalaise et Égyptienne automatiquement, le bras levé et baissé, le bras des, gardiens, des, euh, arbitres, pardon. Claudine a touché le ballon. Ah, ah bien joué. Ah, la, passe, une petite passe. bien, bien enchaîné hein, de, dommage. Là, Raissa ne pose pas le dribble, petite passe à Pivot qui est à l'intérieur, seul. Pour l'instant, en tout cas, le match n'est pas encore euh, plié. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il reste encore euh, euh, plus de 20 minutes à jouer. Le score, il n'y a que deux buts d'écart. Claudine, voilà Une sanction différée. Attention, exclusion. Parce qu'elle a pris un coup au passage. Effectivement. Petite cravate au passage. Très très bien joué ça de Claudine On revoit le ralenti. Réussi à se frayer un chemin. Elle a pris un coup au passage. Je pense qu'il y a une joueuse égyptienne qui a été exclue. Ouais. L'arbitre a sanctionné, fait une sanction différée. Donc a laissé le but. Et euh, derrière, c'est là. Ouais, la numéro. La numéro 33. Non, non, celle d'après. 40. Euh, euh, on n'arrive pas à voir sur le ralenti, mais peut-être à 44, ou ça. C'est ça. donner des solutions euh, faciles. Ça ah, dépend ça défend fort, ça défend fort le public. Ah, super. Magnifique. Ah, on a vraiment défendu ensemble. Le public qui sent, qui, vibre avec les Lyonnes. Faut vraiment rester concentré, pas prendre de but là. Super, ça c'est une très belle sortie d'avoir qui casse vraiment le, le jeu de, de l'Égypte. Super Là, on est vraiment ensemble. Ouais. Vraiment qu'on réussisse à se récompenser. Et les publics qui adorent ça. prendre le but, ouais. super. Très, très, bien. Allez, là maintenant, c'est important de marquer. propre, faut valider euh, ces bonnes séquences défensives. Ah! Ah, vraiment, on a validé la, séquence défensive. On se récompense bien, il faut qu'on continue, qu'on garde cette agressivité et surtout qu'on reste euh, solidaire en défense. Absolument. de part de jusqu'au niveau de l'épaule. on n'a pas encore beaucoup vu elle également. Ben, je trouve que c'est bien quand même quand ça, montre qu'il y a beaucoup de solutions dans cette équipe euh, du Sénégal. Il n'y a pas que deux ou trois qui vont faire la différence. Ça peut venir de partout et en général ça déstabilise l'adversaire. Je Alors là, on a une Fanta en feu. Super, j'aime bien cette énergie là qu'elle dégage les filles. Euh. Le public là, l'arena qui est vraiment en feu. Ouais, absolument. Ça fait vraiment plaisir. La réaction derrière euh, Mahmoud Hani. Claudine. On réussit à ne pas se faire attraper balle en main, à vraiment avoir de la continuité dans le jeu. Ouais, c'est ça, c'est important. À chaque fois, Trouver autant hein, valider les séquences défensives en marquant, mais après avoir marqué aussi, essayer de, voilà, de résister, de ne pas tout de suite prendre un but derrière que quand on a de la continuité dans le jeu, on trouve les solutions, hein, on trouve les décalages. La tentative de Sankaré. Un peu l'eau, la tentative. Hein. Plus dur. plaisir hein, de voir l'aréna. Euh, ouais. Et encore, mais encore, je euh, pense que. Ah, on peut mieux faire. Hein. On peut mieux faire. faire C'est vrai que jouer en semaine, c'est pas, c'est pas très pas évident. évident. Mais attention, les Égyptiennes qui reviennent. qui reviennent petit à, moins de. Faut vraiment pas qu'on leur laisse l'occasion de revenir. Ah, excellent, la réaction derrière de la Sanya. Super super Allez, qu'on arrête de leur faire des cadeaux là en, défense et qu'on À l'Arena aujourd'hui aussi, on a Maria Massignaté, ancienne euh, internationale française, parmi nous, Émilie Gomis, ancienne internationale de basket aussi, qui est avec nous. Elles sont là dans le cadre de, de la promotion des Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont se dérouler à Dakar en, 2026. Ça fait plaisir de les voir euh, dans le public. Beaucoup euh, d'anciens internationaux, on a cité tout à l'heure de le basket également, hein, la famille du basket est là. Effectivement. Ah des acteurs qui sont là, hein. des acteurs d'idoles. <laughs> ouais, c'est vrai. <laughs> On en a vu quelques-uns. On en a vu quelques-uns. C'est euh, un élan de patriotisme aujourd'hui qu'il faudra poursuivre. Hein. Biondo est également ancien international de basket. Ouais. Allez. Tout ce gratin venu pousser les lions, mais également les supporters anonymes ils ont fait le déplacement pour venir ici à Dakar, au Dakar Arena. Allez, il faut essayer de, creuser l'écart. Là, il y a deux buts d'écart seulement. Après, il faut quand même euh, le dire, cette équipe euh, égyptienne joue très bien. Oui, oui, c'est une équipe... Euh, des jeunes, des très bonnes jeunes. Hein. Je pense vraiment qu'on, je a plus d'expérience qu'elle euh, sur les compétitions internationales et peut-être euh, c'est, ce qui va faire la différence aujourd'hui. Ouais. Confiance en Mélione et euh, ça va le faire. Je ne pas si inasanya Zain Abassi. Oh ah ah, oh. une petite faute là, Madame l'arbitre. Faute, Madame l'arbitre. Ah, ah oui. J'y crois pas. En tant qu'ancienne ailière, euh, ah. là, moi, <laughs> j'aurais pu faire. Ah ouais. <laughs> Waouh. elle était, elle était flagrante. est par le banc du Sénégal. C'est le deuxième temps mort des Lyonnes. Un euh, changement également de, Qui est sorti et Mariam Bakero. quelques séquences de ce très beau match entre Sénégalais et, Sénégalaises et Égyptiennes. On rappelle l'enjeu. D'abord une qualification en demi-finale. Les demi-finales, c'est déjà demain. Ouais. Et ensuite euh, une qualification pour la Coupe du Monde. Prochaine Coupe du Monde hein, qui va se dérouler, euh, qui va être co-organisée par euh, le Danemark, la Norvège et la Suède. Donc de jolies destinations, il fait un peu froid, mais... Ouais, <laughs> bah, il faut espérer que ce soit pas en, janvier ou en décembre. Ah, c'est général. <laughs> Généralement, c'est euh, pendant la trêve internationale, euh, novembre-décembre. Euh. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est vraiment ah, groupe de supporters qui nous... <laughs> <laughs> ils sont incroyables. Très inspirés en tout cas. Sans vouloir être chauvin, on a vraiment les meilleurs supporters du monde. Franchement. Et on espère les voir. Dans des fan zones des matchs du Sénégal. On communiquera sur les lieux. On a Doudou qui est rentré également. Doudou Camara, pardon. Ouais. Bah, c'est sur la Allez, Kumba, allez. Qui a tiré vraiment dans la continuité de sa course. Gardienne qui n'a pas été réellement inquiété par le tir. Allez, on reprend une belle séquence défensive. tourner côté des Égyptiennes. Ah, ne ah, faut pas leur donner des solutions là, facile. Hein allez, viens, perception. Allez, allez, on la monte, allez, allez, allez. allez. Il va y aller. Yeah on met la tête dans le but. commence à dormir, il faut se réveiller, mais voilà, On a besoin du public, là, plus que jamais. Ouais, plus que, plus que jamais. Très important. Allez, on repart vous êtes Égyptiennes. on ne donne pas des solutions faciles, on reste ensemble, allez. Ah, ça ne passe pas. Exclusion. Et l'arbitre revient sur la sanction. Exclusion de Hawangay, deux minutes. on fait rentrer à euh, salle pour défendre euh, ce penalty. Pour rappel, un hein, à salle qui joue au Sénégal à disso Dissot. Il y Sarah qui gagne son duel. Troisième penalty marqué pour euh, la joueuse égyptienne. Alors, les Sénégalaises qui jouent sans gardienne. Une joueuse de l'Égypte hein, qui a pris en vrai, parce que Il y, a une chose qui est dehors. Ouais. et qui marque. Très bonne séquence. N'arrive pas tout en finesse encore une fois. La gardienne l'a touché, mais c'est rentré. C'est un plus important. <laughs> un but d'écart, 17 à 14 en faveur des Lyonnes. de moins, il faut vraiment essayer de les piéger là euh, pour obliger les longues passes, les hésitations. Ah, on a l'impression que l'Égypte ne sait pas trop quoi jouer. Ah non On ne doit pas prendre ce genre de but. garder cette agressivité qu'on a depuis euh, 15 minutes. Ouais. Et surtout essayer de, de, les distancer parce que là, deux, deux buts, c'est pas, pas grand chose. Pas rassurant. Santaré, Hugo, Boississé c'est Miki Une, deux, ah, dommage. La jouer avec Marifal. Attention, il ne faut pas qu'elles perdent un peu leur jeu. Ah, bah, elles sont, en fait, elles, sont une de moins et. Euh, c'est compliqué. C'est passif, c'est compliqué, ouais. Avec ouais, camarade qui revient. Euh, Attention là, ouais. Moins 1. À moins un à 10 minutes de la fin, faut... On essaye de réaccélérer le jeu là pour, euh, pour éviter d'être euh, dans le à égalité ou euh, à un but dans une situation inconfortable. Voilà, dans, dans le money time. Beau. Claudine. Bras levé, il reste plus que trois passes. Go. Dommage. Attention, attention, ah. il faut suivre. Oh l'égalisation des Égyptiennes. Là, là, on est en train de... On est clairement en train de relancer les Égyptiennes là, depuis quelques minutes. C'est vraiment nous qui les remettons dans le match en, avec les pertes de balles. la réaction derrière de, l'arbitre, de, l'entraîneur sénégalais qui fait revenir euh, Soukaina et Jaina Bassi. On essayer peut-être de remettre du rythme. Rodine, yes. et voilà. très très beau shoot euh, à la hanche, premier poteau de Raissa. Qui a bien euh, ouvert son angle pour essayer de déplacer la gardienne et qui a shooté premier poteau. Allez. Elle elles vont montrer des, séquences très intéressantes. Maintenant, il faut, parvenir à les répéter. Les séquences euh, défensives où elles euh, gênent les Égyptiennes. Et ensuite valider en marquant des, buts derrière. Ça, se récompenser, surtout se récompenser sur les bonnes actions euh, défensives. Voilà. Très mobile Ibrahim Omar. l'arrêt, est très bien. C'est vraiment des arrêts importants là. Allez, toutes les attaques vont compter à partir de maintenant. Il n'y a qu'un but d'écart.

Oh là là Temps, mort pour l'Égypte. deuxième temps mort. <laughs> Allez, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, on va hein. bientôt rentrer dans le Money Time à partir de ce moment. Regardez-les. Ils font un carton. <laughs> Ils sont devenus l'attraction du Dakar Arena. il faudra leur décerner une médaille quand même. Ah parce que là, quand on dit supporters, ils ont respecté le... <laughs> Absolument, tout à fait. Tout le match. Ils sont incroyables. <laughs> il faudra que le ministère des Sports fasse quelque chose pour eux. Hein, hein ouais, pourquoi pas. Après, je pense que c'est un groupe d'anonymes. Ils, n'ont pas de, Non, non, ils n'ont pas de discipline. ils ont pas de... Euh, on ne les connaît pas. Ils sont venus comme ça, spontanément, pousser euh, les lions. Patriotiquement, on va dire. On repart. Côté. Ah, Ah, ouais, est revenu. Là, on est bien là, on offensivement. solide. Et Matt, Catala. Bras levé, puis 4 passes, allez. Ah Allez, superbe l'arrêt. Oh non, penalty encore. On se fait prendre entre les deux numéro 3. Oh ah non. encore Yahya Ahmed Sarah qui revient pour euh, essayer de transformer le penalty. Allez Fama, allez. Ouais. Un arrêt, ça va être extrêmement important. Là, elle est sur la sa ligne. Ah, Attention Ouais. Pardon à tous les téléspectateurs. Excellent. <laughs> c'est normal, c'est comme ça. <laughs> un match pour le commenter, il faut le vivre en même temps. Là, enfin, elle Alors réussit. Là, elle a mis le feu, ça y est. Ouais, elle a mis Est, en, feu. Ouais. Arena est en feu. Allez, maintenant il faut valider en marquant au but. Bon. Claudine pour Dogo. Allez, Raissa Raissa Aïssa Dapina. Allez, 3 buts d'écart à présent. Il reste euh, cinq 5 il faut minutes. Tuer le match. L'arena est en feu. Les filles sont dans un bon rythme. On repart du côté des Égyptiennes avec Sabri. Dadala. Sabri encore. Ah, allez, allez les filles, allez Elles, ne s'avouent pas vaincues, ces Égyptiennes. Elles elles vont rien lâcher, hein. jusqu'à la fin, elles vont rien lâcher. Elles vont rien nous donner. Il va falloir rester concentré jusqu'à la fin du match. Ouais. Dogo avec Sukaina, Claudine tourner. Dougo, Tsukaina, encore, Aïssa. Dougo, Claudine. Ah Et on a un spécial Doudou Oui, Doudou Allez, il faut défendre, il faut défendre, il faut rester concentré. défendre, monter le ballon et tuer le match. Ouais. Super. restez ensemble. 3 minutes. Défendre ensemble. Très très bien. il ne pas prendre le but. Il ne leur reste plus qu'une passe, ensemble. il super. Elles sont toutes là pour défendre. Restez ensemble les filles, se pas se faire piéger. Super Doudou. Ah mais Madame l'arbitre là c'est bon non Il reste une minute. Excellent. C'est très très bien joué, très très bien défendu. Récupération très très décisive. Absolument. Maintenant, il faut valider, il faut marquer. Il faut marquer pour tuer le match. Parce qu'après, ce sera très compliqué à l'Égypte. C'est ça. Cette attaque va être euh, décisive. Là, il y a trois buts, c'est bien. Mais quatre buts, c'est encore mieux. Aïssa. C'est un peu rapide là. Mais bon, 3, il reste une minute. Ah, il reste moins d'une minute. Moins d'une minute là, je pense que. Je vais pas nous porter la poisse, mais quand même. Ouais. Là, on a l'arrêt qui se lève, qui est en feu. Et le stade euh, est en feu. Tout le monde est debout. Il reste euh, euh, combien 40, 42 secondes, c'est ça et les messages tombent de, partout, du Cameroun, du Maroc, de partout. On va saluer tous les Sénégalais où qu'ils se trouvent. Euh, pour euh, supporter ces Lyonnes du euh, handball qui vont se qualifier pour les demi-finales et rencontrer évidemment l'Angola, c'est vrai, mais bon, ça pour l'instant c'est pas important. C'est pas grave, faut savourer. Se qualifier, de savourer. De, de, savourer également la qualification Coupe du Monde. C'est extrêmement important. On va à la prochaine Coupe du Monde. On en profite pour saluer le président de la fédération qui est là. Président Seydou Président également, tête de la depuis 2011. International, le doyen Baba Ndoye également, ancien président de la commission des arbitres de la CAF. Et tout ça, il y a une tonne de messages. <laughs> Il y a une tonne de messages qui tombent, C'est vrai. On a Diomasi Camara qui est en feu également. il est debout. <laughs> Allez, 35 secondes. C'est plié, sauf... Euh, sauf euh, le non, tremblement de terre, ouais, voilà. sauf ou tremblement je sais de terre. allez, voilà. Allez, on fait preuve d'expérience. 12 secondes plus 2. Eh, on me signale que les, ces gars qui sont en, en je sais pas, un djellarba ou je sais pas quoi. En fait, c'est des handballeurs. Ah C'est des, handballers. handballeurs. C'est ça, Papitou qui est notre euh, consultant nous, nous fait dire que ce sont des handballeurs et ça, c'est très très bien. Très très bien. J'en profite hein, pour faire un gros bisou à, à qui nous regarde. Ouais. à, à, les... ancienne également. Ouais, on va pas dire que même fit, mais bon, je dirais qu'il y a environ 7000, 8000 supporters. Ah et eh ben, les 7000 autres n'ont qu'à venir pour ah remplir le stade ah demain. C'est un peu compliqué, ils sont en France, mais ils nous regardent et ils nous soutiennent, nous soutiennent très très fort. Allez, la remise en jeu, là on fait tourner, on s'empresse pas, Sukaina, Awandiaï. Prends notre temps les filles, on n'est pas pressés c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. terminé qui se qualifie en demi-finale et qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Excellent. Très très grand match million du Sénégal. Incroyable. Incroyable. Tu savais de toute façon qu'elles allaient le faire. Ouais. Elles se sont pas rendues la tâche facile, mais elles l'ont fait maintenant il faut eh, s'entourer. Elles nous ont quand même donné des frissons. Ah <laughs> on a eu peur. Cette entame de match est, ouais, est, de match, très, très ouais, vite Je me suis dit, bon, on va quand même revivre le même scénario que le dernier match. Euh, elles ont vraiment fait preuve de mental, elles se sont remises tout de suite dans le match. Et, euh, félicitations à elles, il faut vraiment qu'elles savourent, qu'elles profitent du public surtout, qu'elles fassent le plein d'énergie pour... Euh, aborder cette finale demain vraiment avec euh, toutes les ondes positives et l'énergie euh, euh, possible. La meilleure joueuse du match et nous demandons. c'est. Ah, la joueuse du match. C'est très beau. Ouais, c'est incroyable. Seules les victoires sont belles, comme on dit. Voilà pourquoi il faut toujours gagner. Allez, on va découvrir qui, sera nommé MVP. Je ne serais pas surpris que ce soit Soukaina Sanya parce que elle a été excellente. Meilleur joueur également a fait très, très, très très très bon match. Numéro 13 du Sénégal, meilleure joueuse. Eh oui, c'est super. Ah, deuxième fois dessus. Ouais. Bon, deuxième fois, euh, deuxième fois. Dans la compétition. Pas de suite, mais dans la compétition. Voilà, c'est ça. Non, mais à tous ceux qui sont restés chez eux derrière la RTS, il faut venir à l'Arena. On a une ambiance de feu. Et aujourd'hui, vraiment, c'est grâce aux supporters aussi. Hein, que, les Lyons euh, ont su revenir dans le match. Euh, absolument. Euh, le travail du 12e Gaindé qu'il faut, saluer. saluer. Ah, ils, savent, ils connaissent le rythme, ils savent comment lever le public, ils savent comment encourager les Lyon, ils ont fait le job. Bravo au 12e Gaindé, bravo à ces handballeurs qui aujourd'hui se sont transformés en des supporters <laughs> magnifiques. Ils hein, sont top, font le show, Top, Ouais, ouais. Et euh, on en profite pour saluer euh, euh, tout le monde, hein, ceux qui nous sont euh, ceux qui nous suivent, ceux qui ne peuvent pas venir, évidemment, parce qu'on appelle euh, les gens à venir. C'est ceux qui habitent Dakar, ou peut-être un peu à Thiès. Mais à Kaolak, par exemple, euh, notre confrère Abdoulaye Diak nous signale qu'à Kaolak, on, regarde, on aurait bien aimé être là. Mais ça, c'est des choses qu'il faut, faut saluer. Regardez les, handballeuses, celles qui sont blessées, par exemple, je j'aperçois Aïssa Toumane, qui sont venues encourager les... Chiline la petite sœur de Awan également. Voilà. D'ailleurs, je fais un gros bisou à toute la famille à Strasbourg qui nous regarde. Je suis sûr que vous êtes derrière vos écrans là en train de, jubiler également. je rappelle que les demi-finales, c'est donc euh, demain à partir de 17h. Euh, alors le Sénégal va jouer euh, en deuxième heure à partir de 19h30. Sénégal-Angola 19h30. Mais avant, il y aura un très très bon Cameroun-Congo. Hein, un très, très, bon Cameroun Congo à suivre également. Donc euh, bravo, bravo aux Lyon euh, du, Sénégal. Allez, maintenant c'est vrai, c'est vrai, la qualification elle est acquise euh, pour la Coupe du Monde, pour la demi-finale. Mais attention quand même, on le rappelle, le Sénégal joue à domicile. Le Sénégal a l'ambition, pas seulement de jouer une, demi-finale, de ah, se qualifier, mais d'aller chercher le trophée. Donc c'est vrai, il va falloir essayer de savourer, mais digérer rapidement cette, euh, victoire pour essayer de se reconcentrer de suite. surtout euh, une, compétition que le Sénégal n'a jamais gagnée. Hein. Jamais gagné de toute son histoire. On allait en finale, mais euh, on n'a jamais gagné. il faut savourer, ça c'est bien ce qu'elles font les filles, profiter avec le public. Et une fois rentré vraiment à la tanière, se remettre euh, les, idées à, l'endroit et commencer à penser à demain. pour le moment, on savoure vraiment, c'est important, très très important. C'est ça. En, tout cas, en tout cas, encore merci hein, à vous, euh, à Job. On va se donner rendez-vous demain, Inch'Allah, en espérant euh, évidemment, qu'on se redonne rendez-vous samedi pour, la, pour la finale. En attendant, François Sec, on laisse les Sénégalais vivre l'ambiance. Il faut laisser les images là, il les images laissez, laissez vivre l'ambiance. La ouais. et on se donne rendez-vous donc demain, les deux demi-finales. Je le rappelle encore, ici, Arena, 17h et 19h30. <laughs> et regardez, Koura, On va Koura, Kamara qui... Allez, <laughs> très bonne suite sur RTS. Bonne soirée à tout le monde. À demain, Inch'Allah. Gumnamli Namli ak Orange Football Club. Participe au jeu Samajoueur au Jazz 555 Jazz 4 Jazz et tente de gagner des TV, des smartphones et des bons d'achat. Gumco, Defco, Mananek. Orange. defco, ko ak Orange Money Fibre le 15 novembre bokkal ci tombola bu mag bile lay Qatar fan tout frais payé de fekkee coupe du monde bi ngir gir ci yomb na jëfandikool se kalpe donte 2000 francs CFA la ci yone xaalis ci bir réew mi wala ci sous région bi Mba sax nga jot ko mu bitim rew. ak Ria Western Union Monogram, Tap Tap Sand, Small World wala Orange Money Europe gën nopale, noppale wor. Orange Monnaie. voilà merci euh, Ella Hadj Thierno Dramé alors Pape Ibnou euh, yi gëm nañ ko la seule la victoire est belle non seulement dem nañu demi-finale waaye qualifié nañu ci li nga xam coupe du monde mais effectivement ni avons ko waxee rek ndam solo. Donc, euh, donc l'équipe du Sénégal li ñu xaar def c'est-à-dire euh, qualifié premier objectif de Monde mondial léegi puisque nous ngi mondial léegi état d'esprit bi gën a favorable pour mën xalaat léegi titre bi alors nous avons ñoo xam ne ñu match bi ku ci melni euh, Abdoulaye Diagne mom néna mënu ko ndax té dafa bëri won pression. en fait c'est normal ben, moi nous-mêmes qui regardons en off ben, on savait que le match. Euh, dafa allait être difficile surtout avec ces Égyptiennes là tactiquement. qui ont essayé de de le sénégalais mais néanmoins nos filles ont su en un temps soit peut être euh, très très zen Nous nañu tamit aussi temps yi ñu toog tam duñ dugal parce que suñ xoolee douzième minute ba dix-septième minute Sénégal dugalul boobu égyptiens commencent à nañ ñëwaat ci jeu bi donc loolu peut-être moitié point noir match alors finalement 2022 ce n'est pas l'année des égyptiens hein? ben vivement ils vont dire que 2023 parce que <laughs> l'Égypte depuis depuis cette année-ci a rencontré plusieurs fois une équipe sénégalaise soit au football bien beach soccer bien de handball donc chaque fois l'équipe du Sénégal est au-dessus alors, on va parler de Soukaina Sagna, meilleure euh, joueuse de, ce match. effectivement, c'est la meilleure joueuse du Sénégal depuis le début de ce tournoi-là. Mm. Donc, c'est une joueuse euh, qui, a un potentiel énorme. Et de jour en jour, nous montre ça euh, durant cette canne-là. Et elle a été sacrée deux, deux fois meilleure joueuse de match. Donc, ça, ces statistiques sont importantes, qui permettent à chaque fois à la commission chargée de d'élire les meilleurs joueurs chaque fois de la nominer. Ouais. Alors, euh, félicitations aux joueuses, félicitations à l'encadrement. On va féliciter tout le monde, mais oubliez ce match, puisque dès demain, le Sénégal sera face à l'Angola. L'Angola qui, quand même, c'est quand même 14 euh, titres africains. c'est l'orgue du, handball africain. Euh, L'Angola, même, a une fois été cinquième, sixième au, au niveau mondial. Donc, c'est un c'est une équipe très, très difficile, redoutable, malgré que cet angle-là, je pourrais dire, est prenable. Mm. Ce n'est pas la meilleure équipe angolaise euh, possible actuellement. Il y a des choses cadres qui ne sont pas venus une euh, euh, à plusieurs choses, mais je sais que l'équipe du Sénégal, si on se concentre de plus en plus, qu'on évite les temps où on ne score pas, donc on peut faire créer la surprise face à cette équipe angolaise-là. Et je pense que cette année-ci, avec cette victoire-là, cette qualification mondiale, l'équipe du Sénégal aura un autre état disponible, c'est-à-dire euh, aller jusqu'au bout. Déjà, le 19, c'est une date historique du, handball sénégalais. C'est la date de création de notre fédération sénégalaise de handball. Donc il faudra, euh, il faudra y être en quelque sorte. On aurait cette date. Surtout, et y être en quelque sorte. Là, ça suffit comme, une ça suffit comme motivation pour pouvoir euh, surpasser cette équipe angolaise-là. Alors, j'espère qu'elles ne vont pas rester 10 minutes également en, en, première partie pour ne pas marquer de but. Sinon, euh, l'Angola. C'est un tout autre calibre. Euh, ce n'est pas le calibre de, de l'Égypte. Alors, je vais vous donner le tableau des demi-finales. Ce sera euh, Cameroun-Congo-Brazzaville à 17h et puis Sénégal-Angola ou Angola-Sénégal si vous voulez, à partir de 19h30, deux matchs que vous pourrez suivre en direct et en exclusivité sur nos antennes. Alors, euh, coach, félicitations à vous aussi. Félicitations à <laughs> tout le monde. tout le On remercie tout le monde. Tout le monde. Peut-être le cri de cœur que tout le monde a l'habitude de dire, hein, il faut que les gens aillent au stade parce que tous les moyens ont été mis à la disposition du public, surtout le Dakarois, les handballeurs, leurs familles il faut que tout le monde euh, aille au stade pour pouvoir supporter cette équipe-là. Avec l'Angola, on aura besoin du 7e homme. Euh, du 8e homme, du moins, parce que le se joue à 7. Mhm. Donc le 8e homme sera très déterminant. D'autant plus qu'en un moment du match, euh, le public a, été, beaucoup poussé les filles à, ne pas lâcher. Mhm. Donc face à une équipe angolaise qui, qui, est composée de joueuses assez expérimentées comme Isabelle Igalo, aussi qui, qui est en train de faire un très bon tournoi. Il suffit que le public soit derrière cette équipe-là pour qu'on puisse euh, les mettre en difficulté. Mais déjà, on peut, on peut faire une mention spéciale à ces jeunes emballeurs de, de Yumble qui ont vraiment électrifié la salle de, là, Dakar Arena. Là, depuis trois, trois journées, ils sont au stade. Euh, ils étaient passés une heure sur la première journée, mais, depuis le match contre Cameroun, les gens ont commencé à, prendre en compte ce spectacle-là. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin. Euh, beaucoup d'ambiance dans les stades, euh, puis beaucoup de spectacles aussi dans le terrain. Alors, ce qui est magnifique, c'est que ce sont aussi des handballers. Effectivement, c'est des handballers donc, euh, qui, sont, qui sont déguisés en, artistes. Je pense que c'est une, une touche assez particulière pour cette canne-là. Voilà, merci coach Pape Pape Ibnoussar qui nous accompagne dans cette canne depuis le début. Merci à toute l'équipe euh, technique qui nous a accompagnés ce soir avec Omanette euh, Oumar Ndiaye. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité à la RTS. Euh, à tout à l'heure. Après le journal, vous aurez l'émission Le Point, mais surtout l'émission Il Qatar, en route vers le Qatar, qui va vous donner les dernières actualités par rapport à l'équipe nationale du Sénégal. Merci à tous et à très bientôt. Dakar, capitale du handball africain chez les dames. Du 9 au 19 novembre 2022, 13 nations s'affrontent pour décrocher le titre continental. Le rendez-vous, c'est au Palais des Sports du Diamniadio. Dakar Arena accueille la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames